puisque sëriñ bi daf ma wax bul wax bu ñu ma fale puisque sonn nañu ci fale puisque da jàpp ne buur nga del wax bu ñu ma dénkee loolu dana la fàttali ne li nga yor dañ la ko dénk moomoo ko da nga ñi la ko dénk te moom ko ma bëgg xamal Macky Sall ne le 19 bi li ñëw damay dem Paris mais Inch'Allah, allah programme bi dama koy je rentre le 17 ou le 18. nous n'allons pas écoutez-moi bien nous n'allons pas lui permettre de brûler notre pays et je veux lui lancer un appel solennel et je veux lancer le même appel solennel à la société civile qui cherche à renouer les fils d'un dialogue rompu. Moi, en tout cas, je ne dialoguerai pas avec lui parce que sa parole n'est pas stable et il n'honore pas ses engagements. En revanche, en revanche, vous avez la possibilité de lui dire de faire ce qu'il doit faire. C'est de ne pas violer notre constitution, de ne pas instaurer ce parrainage. Donc le 19, nous sortirons tous nombreux. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons pas brûler notre pays. Je vous ai dit qu'il suffit que nous soyons très nombreux, hommes, femmes, anciens, jeunes, vieux, à porter nos brassards, à aller vers l'Assemblée nationale. Si on nous dit qu'on n'y arrive pas, on va tourner à droite, à gauche, etc. Mais on ne va pas se confronter aux forces de l'ordre. Mais on restera déterminé. Si Macky Sall viole la constitution du Sénégal, nous le dégagerons de là. viole la constitution du Sénégal, nous le dégagerons de là.